ensemble, prions. te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. encore, en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exile par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es moi au cœur de nos vies. car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es moi au cœur. Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les racheter. Par lui, avec lui et en lui. Amen. nous éduque, nous forme, forme des hommes et des femmes. Et nous trouvons des prêtres, des frères, des sœurs, des catéchistes, des éducateurs, des évangélisateurs. Et pour couronner le tout, au ministre d'État, merci à notre chère école Saint-Marcel. toute l'école Saint-Marcel. chef de directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Pierre Aye, Abbé Pierre Aye, directeur diocésain de l'enseignement catholique de Thiès, chers anciens, parce que je peux tous vous mettre là, dans un même sac ou dans un même panier, à vos titres et à vos grades. Je suis très content aujourd'hui parce que l'école Saint-Marcel fête ses 60 ans. Et ceci, vraiment, moi je dis, peut-être j'aurai la chance de vivre les 60 ans, mais les 100 ans, c'est un point d'interrogation. Parce que vivre encore 40 ans, moi je pense que je ne serai pas là. Mais avec l'espoir que, en tout cas, d'autres vivront cette date. Voilà. Mais la première chose que je vais dire, c'est aujourd'hui une fête pour tout le monde. Les anciens, les nouveaux, les actuels, je ne sais pas. C'est une fête pour tout le monde, ce qui fait que aujourd'hui, vraiment, c'est une date à retenir. Après cela, mais je vais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Parce que tous nous sommes venus et il y en a qui vont venir après parce qu'il y a problème de temps. Mais ceux qui sont là, vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue et soyez sûrs qu'ici à Fanden, vous vivrez la paix, rien que la paix d'ici ce soir. La directrice a dit, nous passons la journée, nous allons manger gratuitement Maintenant, pour boire, il faut sortir quelques sous peut-être hein, pour acheter de quoi boire. Mais vraiment, en tout cas, nous avons préparé la fête pour tout le monde. Et je pense que tout le monde sera content. Les parrains, voilà. Maintenant, il se pose le problème d'enveloppe. Tout à l'heure, hein, nous allons ramasser les enveloppes hein, et les donner à Madame Martial, Louise, c'est elle la trésorière on les ramasse et on les donne à Thérèse, à Luz. Voilà, donc je souhaite vraiment la bienvenue à tout le monde et je souhaite que nous vivions un bon moment parce que c'est la fête. Voilà, bonne fête. le président de la République, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Révérend Père Abbé Jean-Marie, curé de la paroisse Saint-Marcel, Madame Tine. Marie-Jeanne 6, directrice de l'école, chère marraine Madame Tim Colette et chers parents de l'événement, chères autorités en titre et grade, chers invités, chers parents, chers enseignants, chers camarades élèves, le gouvernement scolaire de Saint-Marcel, par ma voix, remercie du fond du cœur, nous remercions du fond du cœur aussi, nous remercions merci particulier à nos parents pour qui je demande d'applaudir s'il vous plaît. Merci ces parents de nous avoir envoyés à l'école. Merci pour tout. J'invite tous les camarades du CI au centre de redoubler d'efforts dans le travail pour effet, nos chers parents. Le gouvernement scolaire souhaite à tout le monde, à tout le monde une bonne fête. Merci de votre attention. Monsieur le directeur diocésain de l'enseignement privé catholique, Abbé Pierre Aïndion. Monsieur l'inspecteur de l'éducation, de la formation des et département. Abbé Jean-Marie Aignon, curé de la paroisse Saint-Marcel de Fanden. Madame la directrice de l'école, Marie-Jeanne 6. Chère Madame Colette, cher ancien parrain, euh, chers anciens parrains, ainsi l'événement chers parents d'élèves, madame et monsieur les invités, recevez les salutations les plus chaleureuses de l'association des parents d'élèves de Fanden, donc je suis le président. Les 60 ans d'existence de l'école Saint-Marcel, nous remercions vivement toutes les personnes, de près ou de loin, se sont donnés corps et âme pour que l'école Saint-Marcel soit ainsi. L'association des parents d'élèves de Saint-Marcel de Fanden, par ma voix, vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne fête. Merci. Merci. aussi di nuyoo parrain bi tur bi jàpp ma ko parce que waxuñu ma ko peut-être c'est Marcel ou monsieur le ministre xamuma di nuyoo euh, abbé Pierre ay Ndion ci fàttaliwu mooy li ma wax rek dañoo jaar fii ba pare jàng CI ba CM2 joge foofu dem ba Thiès parce que amuñu woon sixième ba terminal dañoo mujjoon joge Fandène dem jàngi ba Thiès mais lu tax ma yegg foofu. Euh, balaa bobu daño jang fi manam jang bo xam bi dafa xawone metti lol lol lol bu ñu fàttalikoo c'était très difficile on avait pas toutes les conditions réunies pour mën a jàng école ma ngi fateliko xamna ñima ñi ñom Augustin xamna nañu limay wax buñu jang dañ don yoré ay mbuus wala ay euh, plastique plastique bi dañ ko sal pendant 9 mois si je me souviens du deug pendant 9 mois bu ñu la lay yéré ensemble dañ koy sol presque pendant 9 mois les conditions étaient tellement difficiles mais malgré tout on a surpassé que loolu def à Saint-Marcel un grand merci à l'école Saint-Marcel Excellence docteur Augustin Tine ministre directeur du cabinet du président de la République maire de la commune de Fandène révérend père abbé Pierre Aïd John directeur de l'office diocésain de l'enseignement catholique Révérend Père Abbé Jean-Marie curé de la paroisse de Saint-Marcel de Fandène, Madame Collectine, marraine de la célébration des 60 ans, et messieurs les autres parrains du jubilé, messieurs les chefs de village de la commune de Fandène, chers partenaires de l'éducation, chers anciens et anciennes élèves de l'école, chères autorités en vos titres et grades, Monsieur le Président du gouvernement scolaire, chers collègues directeurs, chers invités, chers parents, chers élèves, c'est un privilège et une joie immense pour moi aujourd'hui de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous traduire mes sentiments de reconnaissance pleins de gratitude au nom de la communauté éducative de l'école, vous souhaitez à tous la bienvenue. Fêter le jubilé des 60 ans, c'est s'arrêter, évaluer le chemin parcouru, danser au rythme de tam-tam et des chants non, c'est soyer. fêter le jubilé, c'est se donner un nouvel élan pour aller au plus loin encore pour affronter les défis de l'éducation. À l'ouverture universelle, on y apprend à accueillir, accepter et respecter les différences. C'est pourquoi, convaincus de tout cela, nous disons un merci à tous ceux qui nous ont aidés, en commençant par nos partenaires je veux nommer les parrains de ce, de bel établissement qui nous permet de travailler dans un cadre sécurisé, accueillant et attrayant. Messieurs les chefs de village de la commune de Fanden, chers partenaires de l'éducation, chers anciens et anciennes élèves de l'école, chères autorités, Chers invités, chers parents, chers élèves, je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour, monsieur. Bonjour les enfants, comment allez-vous Ça va bien, merci. Et vous, comment allez-vous Ça va bien, merci. Asseyez-vous. Merci. Le Saint-Marcel est créé en quelle année Athanas. En 1890. Non, toi, tu oublies toujours. Tu n'apprends jamais tes leçons. Un autre. Pierre-Emile. Le conseil Marcel contre est créé en 1952. Très bien, on applaudit. T'as pensé fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas demain de venir avec vos parents pour prendre vos bulletins. D'accord, monsieur. Au revoir et merci, monsieur. À demain matin, s'il plaît à Dieu. Au revoir. Bonjour, maman. Repose-toi un pour après on va faire des exercices. D'accord, papa. Bonjour, papa. Bonjour, mon fils. Où est maman Maman est dans la cuisine. Bonjour Baba. Bonjour Athanas. Mon enfant vient apprendre les Laisse-le, il est fatigué, laisse-le jouer. Athanas, Athanas, viens, je t'en je vais aller au CMAC pour prendre le bulletin de lui. D'accord, Nidjaï, à tout à l'heure. On y va, Aimé. Bonjour, Prosper. Bonjour, Ado. Aujourd'hui, je vais à l'école pour prendre le bulletin des enfants. Ah, Ado est sont de la même classe, oui. ne m'a pas informé. En tout cas, c'est aujourd'hui. La maman est déjà au marché et moi je dois aller au projet. Est-ce que tu peux récupérer le bulletin pour nous Toi, si ça veut dire tu ne sais pas que tu dois, tu dois aller à l'école pour rencontrer le maire. Attends Athéna Oui, papa Viens ici. Pourquoi tu ne m'as pas informé pour la remise des filles Oh, papa, j'ai oublié Toi Toi, tu oublies toujours. C'est comme ça que tu fais un classe Non, papa Attends, on va ensemble. Nous venons prendre les bulletins des enfants. Vous vous attendez, je reçois d'abord cela. Voici le bulletin de demi. C'est un bon élève. Il apprend ses leçons. Il fait ses exercices. Il est toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure. Il suit en classe. Je suis vraiment fier de lui. Il a moins de 9 ans il, il passe en classe supérieure. C'est bien mon enfant, je vais t'acheter un vélo. Voici le bulletin d'Athanas. Celui-là, il manque de volonté. Il ne prend pas ses leçons, il ne fait pas ses exercices. Il a un de deux. Il redit. Toi, tu savais, tu n'apprenais pas tes leçons. Tout à l'heure, de ta mère. Oh, papa, je mes Attends, tu avait l'amour du travail et on aimait aussi plus tard penser à aider nos parents qui étaient jadis alors des parents pauvres, des paysans qui étaient ici dans ce monde rural. Félicitations, félicitations à tous ceux qui ont pu porter cette école sur leurs épaules, dans leurs idées et dans leurs pensées. Et pour qu'aujourd'hui, l'école a pu donner des fruits. Nous avons mon grand frère, le ministre, voilà, le ministre de la République qui est là. Nous avons aussi des hauts fonctionnaires, des gradés de l'armée sénégalaise. Voilà, nous avons aussi euh, des anciens directeurs d'école, des pédagogues. Voilà, des pédagogues. Nous avons aussi des religieux. Voilà, les prêtres sont là. Voilà, les prêtres, beaucoup de prêtres d'enfants, des sœurs d'enfants, et tout ça grâce à cette école. Et toute ma fierté d'être là, et toute ma joie aussi d'être là. Alors donc, euh, chers invités, merci beaucoup de votre aimable attention. Public, maire de Fandel, et Madame, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le colonel Marcel Tin, et Madame, Révérend Abbé Jean-Marie John, curé de cette paroisse de Fanden, Madame la directrice, cher Chef d'établissement, chers collègues de la direction générale, pastorale, en l'occurrence la messe, si l'évêque n'est pas là, c'est d'abord lui. Et j'ai préféré qu'il préside pour magnifier à travers sa modeste personne l'immense travail accompli par les missionnaires ici à Fanden dans le cadre de la pastorale générale et particulière par la fondation de l'école et l'accompagnement spirituel aussi de l'école. L'abbé Jean-Marie, je suis excusé. Merci beaucoup, voilà. aussi. L'école est belle, mais les résultats ne sont pas beaux. Fanden, comme disent certains, est en train de dégringoler du point de vue des performances scolaires. Ce sont les gens qui le disent. Je le confirme aussi. J'espère qu'avec ce jubilé de diamant, on aura cette année des résultats de diamant. Madame la directrice, les enfants, est-ce que vous m'écoutez, les élèves Qu'est-ce que j'ai dit Voilà. L'école est belle comme du diamant. Et nous espérons que ce jubilé nous donnera l'occasion aussi de constater et de jubiler parce que les résultats seront en diamant. N'est-ce pas Ça veut dire 100% au certificat, 100% à l'entrée en sixième et pas de redoublement. Vous le promettez Madame la directrice a dit oui. De votre présence, il y en a beaucoup dans la foule. Merci d'avoir honoré de votre présence cette belle cérémonie. À vous tous et à toutes, je souhaite une excellente journée, un heureux jubilé. Merci. et voilà ginaaw nak euh, bu ñu defee nag euh, danse traditionnelle mu nekk cosaanu séeréer euh, ñëpp daal di apprécier rek ni ñuy séeréer nu mu fonkee culture ñu daal di nag suubo soobu ci li xam ne mooy li jëm ci wàllub modernité mooy danse boo xam ne nag dañ ko jagleel modernité ngeen gis xale yi noonu nag ñuy def ay euh, démonstration yu am solo ñom nak euh, xam naa seen répétition yi euh, seen ak cadreur yi nag daal dinañ ko doxal doxal bu am solo ba ñom ñom ngeen di gis nonu public bi nak manam askan bi daal di ñëw ñu bari daal di ñëw ci Fandène ngir fekkee rek soixantième anniversaire école bi di école Saint-Marcel bu Fandène nek école privée catholique muy def lu am solo ci wàllub njang jëm nak ci saytu gune yi ci li ci wàllub njang Euh, tax na itam ba tey jii nag euh, ci samedi bi yemook ñaar fi nag ñaar fan ak juróom ci weeru mai 2019 euh, mu nekk nag seen bés boo xam ne nag moom la ñuy jagle jagleel juróom fukkeelu at bi xam ne école Saint Marcel bu Fandène daal dina ko am naam école bi ca biir la woon waaye nag dañ ko tuxal tabax ko mu nekk nag bërëb bu bees mu nekk loo xam ne nag cadre bu am solo la boo xam ne nag xale yi Euh, dinañ ci mën a épanouir li euh, jëm ci seen jàng ñu gis nag tout tànk yaa ngi noonu di euh, Euh, ñëw fekkee si feet bu am solo bi fii ci Fandène euh, mu nekk loo xam ne nag euh, lu lu am solo la lu mata nag rafetlu la ndax gis ngeen ñoom ñuy def seen pas de danse kii di ministre Augustin Tine nag ak soxnam ñoom ñëpp ñu dëkk doomu Fandène Augustin Tine nag di directeur cabinet bu président la République moom nag ñëwoon teew ànd ak moom nag ñu fàttali ne moom mooy maire commune bu Fandène xale ji bu Fandène rek dem ci wàllu caada Keita wax naa ko sànq rek jot ngeen gis xale yi ñu daal di fecc feccub euh, cosaan ak aada waaye nag jamono yi ñu doon def démonstration dem nag ci euh, lépp loo xam ne nag yét dem na ci wàllub euh, modernité yoo xam ne dañ ko répété moom la ñu doon tari noonu ginnaaw bu ñu paree nag ci xale yi ci xumbeel li ñu doon def nag ñu daal di déglu maire de Fandène di Augustin Tine Nous continuons de louer le Seigneur, de nous donner, de vivre cette journée oh, aussi importante. Abbé Pierre Aïe directeur de l'Office diocésain de l'enseignement catholique. Révérend Abbé Jean-Marie Ndion, curé de la paroisse. Monsieur le sous-préfet François-Xavier Tine, messieurs les parrains, messieurs les chefs de village, Madame la directrice de l'école, Madame Marie-Jeanne Tine, Messieurs les anciens directeurs, Monsieur le Président du gouvernement scolaire, Chers invités, chers parents, chers élèves, notre diva, Madame Marie Ngolendion, je voudrais faire mien tous les discours qui ont été prononcés ce jour, à commencer par celui-là du président du gouvernement scolaire, de Madame la directrice de l'école. Madame la directrice, nous vous remercions et nous vous encourageons. Ce n'est pas facile parce que tout simplement, vous avez un village qui, depuis 1959 ou un peu avant, parce que j'aurais aimé messieurs les directeurs, tout particulièrement ceux-là de Fandem, que vous travaillez à faire en sorte qu'on puisse avoir les archives de tout ce qui s'est fait dans cette école. Je remercie aussi Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves, Théophile. Merci pour le discours et ensemble nous réussirons à continuer de faire de cette école ce qu'elle est aujourd'hui. Si les résultats ne sont pas très bons, cette année, j'ose espérer qu'il y aura un regain dans les années à venir parce qu'il y aura une prise en charge. Et j'en appelle à euh, tous les anciens directeurs et anciens enseignants de Fandel pour que vous travailliez à faire en sorte que cette école soit redorée parce que vous pouvez le faire. Je pense qu'il faut que vous vous approchiez de l'APE et c'est là seulement que nous pourrons avoir les résultats que nous voulons. Insister sur deux enseignants qui sont M. Antoine Dion, feu M. Antoine Dion. Les jeunes peut-être ne le connaissent pas. C'est celui-là qui aura fait en sorte que nous ayons des extraits pour pouvoir entrer à l'école parce qu'on était trop âgés. Monsieur Antoine a fait quelque chose d'indélébile pour Fanden. C'est quelqu'un qui mérite d'être félicité. Il y a un autre enseignant vivant aujourd'hui qui aura par la suite été président de communauté rurale, mais qui a beaucoup apporté à Fanden, qui aura éduqué profondément et qui est un modèle et un exemple nous lui souhaitons un prompt rétablissement vers les enfants, les élèves. Ceux-là que vous voyez, ils ont très tôt compris que l'éducation était importante. J'ai souvenance que dans les années 1987, si je ne me trompe, avec l'association des ressortissants de Fanden, très tôt nous avons pensé qu'il fallait un collège à Fanden des, hommes et des femmes d'Europe nous ont aidés à construire le collège. Monsieur le directeur est là, il faisait partie des facilitateurs. Monsieur le directeur, nous vous en remercions, Denis et Abel. Et dès que nous avons pris fonction, pour nous aussi, la priorité, c'était de faire en sorte que nos enfants ne soient plus obligés d'aller à pour continuer les études. C'est ainsi que nous avons le lycée. J'ose espérer. J'ose espérer les jeunes que pour les générations prochaines, nous aurons une université à fonder. Je pense que c'est possible et je sais que les Fandénois en général ne sont pas bêtes, pour ne pas dire autre chose. Vous avez dit que l'école de Fanden a produit des ministres, a produit des députés, a produit des gouverneurs, a produit des préfets, a produit des généraux. J'en veux pour preuve le général Victor Tin et de grands officiers des forces armées. Donc cette école a beaucoup formé a formé naturellement des prêtres parce que c'était le terreau fertile, n'est-ce pas l'abbé Pierre Le terreau était fertile pour cela, religieux, religieuse, mais a produit surtout des hommes. C'est le plus important. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier et souhaiter bonne fête à tous. Merci beaucoup. César. qu'il a accompli au sein de cette école Saint-Marcel. Des bienfaits, oui, il existe, il en a, parce qu'à l'école Saint-Marcel, des pionniers ont construit. Ils ont fait tant d'années de marche, on peut dire la longue marche. Tout a été difficile. Les parents ont se sont donnés pour que vraiment ces, leurs enfants puissent accéder à l'école et puis réussir. Ces enfants-là, aujourd'hui parmi ces enfants, nous avons des ministres, nous avons des euh, gouverneurs, nous avons des euh, députés, nous avons des enseignants, des éducateurs, vraiment beaucoup de cadres euh, dans la commune de Fanden. Donc nous rendons grâce au Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Et nous remercions tous les parents d'élèves, tous ceux qui sont donnés corps et âme pour la réussite de cet événement. C'est un grand événement, comme vous l'avez vu tantôt. Depuis ce matin, nous avons célébré la messe avec toute la communauté éducative, toute la communauté de Fandel. Nous avons aussi, euh, dans l'après-midi, fait soyer avec le Milim qui a démarré donc euh, vraiment rendre grâce à Dieu pour tout. Tout ça c'est pour montrer notre fierté pour l'école Saint-Marcel, notre fierté pour la communauté de Fanden. Et je voudrais remercier particulièrement le ministre, docteur Augustin Tin, qui nous a beaucoup soutenus. Remercier tous les partenaires, nos anciens élèves, nos, euh, nos parents d'élèves, remercier aussi les parrains de cette journée. Oui, les parrains, nous en avons eu. Nous avons été vraiment parrainés et tout ce monde-là a contribué à la réussite de cette journée aujourd'hui. Nous leur disons un grand merci, un merci du fond du cœur. Que Dieu bénisse la journée. Il a déjà béni. Que Dieu bénisse toute la population de Fanden et que vraiment nous souhaitons que cette année soit une année de bienfaits, une année de grâce, une année de réussite surtout pour nos élèves qui, feront, qui vont bientôt faire le CM2. Donc euh, l'examen du CFE, les épreuves du CFE, de l'examen de fin d'études.